Moi, je suis content. Je suis content d'entendre ça. Ça fait plaisir. Donc, euh, de dire merci à la population de Seydou, de Sénégal aussi, le peuple sénégalais. Donc, euh, c'est quelque chose qui me va droit au cœur. Et sincèrement, je suis vraiment content pour cette nouvelle. Vous y attendiez non, c'est quelque chose que je ne m'attends pas, mais avec tout ce que j'ai fait dans le, dans le football, donc c'est quelque chose qui m'a... qui c'est pas une surprise, mais je le reçois avec un, avec un grand plaisir et de dire à la jeunesse de Sédou de continuer, d'écrire leur histoire. Le football, moi je dis toujours, il faut écrire ton histoire. Et là, personne ne va t'oublier. Vous avez fait le beau jour de l'équipe nationale. Vous avez marqué quand même un nom important de buts. ça vous revient de toi. C'était mon travail de marquer les buts. C'est mon travail. Donc à partir de là, euh, si, aujourd'hui les gens ont reconnu ce travail, donc euh, c'est avec un immense joie, un plaisir énorme d'être là aujourd'hui et de recevoir ce, trophée. Donc euh, je suis vraiment content. En Au aussi, vous êtes, vous devenu quoi Vous êtes perdu de vue Je suis, je suis toujours joueur professionnel, j'ai même un, un an de contrat qui me reste encore. Je joue en Turquie. C'est juste moi qui, qui s'est mis un peu à l'abri. Donc euh, voilà, mais je continue toujours à jouer au foot. La moitié à bu Je di senti à dirigeant merci Tu honneur Bobu. donc euh, je l'ai reçu avec euh, avec beaucoup de joie donc di sant Nyeb, di gërëm ñëpp di Ça di ligué Sénégal suis sama la sama monde la. donc euh, mais.

donc euh, mais maa ngi ci circuit